La la la la la la la la la la Bonjour à tous, nous sommes dans la région de Ziegenschor. Pour la petite histoire, il y a le frère qui est derrière moi. Euh, on avait fait un puits euh, dans une autre région. Il était venu en vélo, ça veut dire qu'il a fait des kilomètres et il nous avait demandé euh, que dans son village, il n'y avait pas d'eau. Il nous avait demandé, je lui avais promis que quand on rentre en France, on allait faire une cagnotte et qu'on allait récolter cet argent-là. C'est ce qui a été fait. La cagnotte, elle a été récoltée en cinq jours. Ce qu'on a fait, c'est que euh, on voulait aussi qu'une personne soit tirée au sort concernant tous ceux qu'ils avaient financé par rapport à ce puits-là. Et que la personne qui allait tirer au sort, qui allait gagner, eh ben, l'association allait lui payer le voyage et en même temps qu'elle allait lui donner le, nom de ce puits-là, c'est par rapport à son prénom. Et la personne qui a gagné, elle est ici. Elle est venue pour visiter son propre, propre puits. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui ont financé ce puits-là. Mais on a fait un tirage au sort sur les 40 et c'est tombé euh, sur elle. En tout cas, je suis très content euh, qu'elle ait gagné. Ça aurait été une autre personne, j'aurais été très content aussi. Mais en tout cas, voilà, euh, par rapport à tous ceux qui ont participé à cette cagnotte-là, voilà le puits qui est terminé. Le puits fait à peu près 17 mètres de profondeur. Sinon, il fait presque 40 degrés. Je suis très très bien. Franchement, je pense qu'en France, vous n'avez pas ces températures-là. Et je suis bien. Franchement, je suis très très bien. Bonjour à tous, c'est alaikum. Euh, comme il a pu le dire Ismail, euh, j'ai été tiré au sort par rapport à, la cagnotte qui a été mise en place pour euh, ce village et ce monsieur du coup. Merci à tous, merci à Andy merci à toutes les personnes qui ont contribué pour la construction de ce puits-là. Vous avez fait quelque chose d'énorme. Et euh, si bah, vous allez voir dans les vidéos comment on est loin, la chaleur, le puits est extrêmement profond, et il est incroyable, il y a eu un travail énorme qui a été fait. Merci à tout le monde. Euh, N'hésitez pas à continuer, ne négligez rien du tout. Un euro peut vous faire contribuer à ce genre de pluie ou autre chose. Continuez à faire des dons. Merci beaucoup. Et euh, je laisserai parler le monsieur par rapport à ça. Et... waaw teen bi nii pare naa kontaan naa si bu baax jour bu ma doon laaj teen bi heure boobu dama doon jël ay bidon euh, chaque deux jours damay di rootu dix bidon teg ko si vélo bi ma indi ko fii la def euh, ma daje ak yéen euh, si ubbi teen Ismaila bi ma expliqué Ismaila kii nii tuurandóorama mu ne ma incha allah bu delluwee fale bu fekkee sa wërsëg muy foofu di nga am teen bi ah teen bi ñëw na ba fii benn jour Ismaila oo ma ñu ne ma teen bi satuur bi génn na jour boobu aw aw ma lu mu lu ma kontaanewul fii nii teen bi ñëw na ba tey pare na maa ngi kontaan bu baax ku la jàppale ndox kooku jàppale na la lépp si aduna bi parce que avant tout ndox la lol mota ma ngi kontaan bu ba di len ñaanal yeen tamit yeen yéen yi ngeen nekk di euh, réaliser projet yoyu yalla may katan euh may len wergu yaram euh, projet bépp projet bi ngeen sumbu yalla def len ngeen égaliko ci jamma wa wa dekk bi yëpp ñoo ci yoroot côté bi yëpp la ñoo rot fii wa fi même ñu ñu ñuy liggéey fi parce que fi construction bu bee ñu bëri dañu bëgg a tabax à cause de ndox bi moo tax ñu mais comme terrain bi ni mu paré ni légui ñu bari xamna dinañ ñëw pour construire sen place yi ñu tok wa ndox bi neex mo moom bu baax wa neex na baax ñu fofu lañu nané fofu lañu défé lepp defee merci beaucoup ma ngi leen di remercier bu baax wa content na bu baax teen mi kay amna na ndox bu baax kay fi lañu yérod fi lañu arrosé kay ñu kay ala content rek hey ah xanaa ñaanal rek kii weer bu yaram ak gudd fan seen liggéey mu dem si kanam rek <laughs> waaw